Bonsoir chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou de ce jeudi 17 août 2023. Au micro, c'est Fanta Chamsou et je suis en compagnie de Habiba Ahmed. À la technique, c'est Abdoulaye Bunga, la star, et Adama Dawaki à l'édition. Bonjour Habiba, comment tu vas ce matin Je vais bien, Fanta, et toi Ça va aussi, Alhamdulillah. Super. Alors, quel est le menu du jour ce matin à Biba, comme d'habitude, il y aura le flash d'informations et du loti avec les femmes du studio Kalangu. Dans la rubrique écho des régions, nous allons faire un tour à Maradi pour parler de l'inflation des prix de certaines denrées alimentaires. Et dans la rubrique éducation numérique, Ousmane Mamoudou nous édifiera sur certaines fake news qui font rage sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Dans la rubrique entretien de ce matin, notre reporter Ousmane Aboubakar s'est entretenu avec Hajia Azara Al-Haji Mamadou présidente régionale de l'Association de femmes nigériennes contre la guerre et responsable du centre polyvalent des femmes de la commune urbaine d'Agadez. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous allons ouvrir cette émission. Il est présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Fanta Chamsou, bonjour Habiba Ahmed. Euh, le flash d'information à présent le ministère de la fonction publique, euh, du travail et de l'emploi a rappelé hier dans un communiqué les termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté numéro 742 du ministère de la fonction publique et du travail du 30 juin 2010 déterminant l'organisation de la journée de travail continue dans les administrations publiques, les collectivités territoriales et les entreprises publiques. La durée hebdomadaire du travail est organisée comme suit, du lundi au jeudi de 8h à 17h30 minutes avec une pause de 45 minutes et le vendredi de 8h à 13h. Au moins 31 personnes ont été tuées mardi dans l'après-midi dans des attaques menées par des individus armés présumés terroristes dans plusieurs villages des communes de Dessa et Mehana dans la région de Tilabiri. Pour rappel, euh, ces attaques se sont déroulées le même jour qu'une embuscade tendue par euh, des assaillants armés contre un convoi de l'armée entre Torodi et Boni. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama, a présidé hier une réunion du Conseil régional de sécurité pour examiner et discuter de toutes les questions et préoccupations sécuritaires dans la région d'Agadez avant de procéder à une cérémonie euh, d'incinération d'une importante quantité de stupéfiants. Il s'agit entre autres d'une tonne et demie de cannabis et de résine de cannabis trop soit un peu plus d'un million six cent mille euh, kilogrammes, 133,7 euh, grammes d'héroïne et euh, soixante quatre kilogrammes de cocaïne. C'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 17 août 2023. Merci Mokhtar. Merci Bonne journée. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin dans la rubrique Entretien, nous allons suivre l'interview accordée par Hajia Azara Al-Haji Mamadou à notre reporter Asumana Aboubakar. Elle est la présidente régionale de l'Association de femmes nigériennes contre la guerre et responsable du centre polyvalent de femmes de la commune urbaine d'Agadez. Mais avant Abiba, nous allons écouter le premier morceau de la playlist du jour. Il s'agit du titre Zinaria de Fé Adams Junior. thank you

Badang komi badang sabodang gora. chers auditeurs, Zinaria, c'est le titre de cette belle chanson. Zinaria qui signifie littéralement de l'or, mais qui est utilisée ici par l'artiste Adams Jr pour désigner la beauté de sa copine. Adams Jr. est né en 1966 à Gaïa, dans la région de Dosso, au sud-ouest du Niger. Il a été le premier reggaeman nigérien avec des titres devenus cultes tels que Sauver la femme, c'est la mère de l'humanité. Artiste très connu et aimé des Nigériens, Adams Jr. a rendu l'âme le 30 mars 2009 à New York, des suites d'une longue maladie, laissant derrière lui des œuvres aussi riches les unes que les autres. Chers auditeurs, nous recevons Hajia Azar Al-Haji Mamadou, présidente régionale de l'Association de femmes nigériennes contre la guerre et responsable du centre polyvalent des femmes de la commune urbaine d'Agadez. Elle explique le fonctionnement de ce centre. Elle est au micro de Asman Aboubakar. Présentez-nous le centre où nous sommes actuellement. C'est le centre polyvalent des femmes de la commune urbaine d'Agadez, centre Timakrasien. C'est vraiment un centre qui est là pour les femmes, qui a été construit avec les financements de l'Union européenne à travers l'OIM. Dans ces centres, il y a plusieurs choses. Il y a l'atelier de couture, il y a l'atelier de make-up, salon de coiffure, il y a agroalimentaire, il y a teinture batik, il y a le tissage, mais le tissage, pour le moment on n'a pas encore commencé. L'historique même du centre, vous savez avec euh, la loi 036 2015 qui a fait que en majorité les gens d'Agadez se sont retrouvés dans le chômage. La population qui avait perdu son travail, qui n'avait pas d'activité, parce qu'il n'y avait plus de tourisme, il n'y avait plus ceci, il n'y avait plus cela, arrive à fermer tout ça là. Donc euh, la population est là, elle est regardée. Et il y a les, humanitaires, les, projets, les ONG qui ne s'occupaient que des migrants. Ce n'est pas mauvais comme chose parce qu'on sait que ce n'est pas des guettés de cœur d'autres qui sont là. Après, il y a la population d'Agadez se retrouvait un peu frustrée et pour éviter tout ça là, les gens ont demandé à ce qu'il y ait quand même quelque chose à l'endroit de la population. C'est comme ça que l'OIM avait eu le projet stabilisation communautaire. Et nous, nous avons postulé pour créer des comités de veille dans les quartiers d'Agadez. Nous avons eu pour 10 quartiers et dans les 10 quartiers, on a mis en place des comités de veille. Et ce comité, c'était 15 personnes. Et dans ces 15 personnes, il y a les migrantes, il y a la tambara parce qu'il faut aussi mettre euh, la, chefferie traditionnelle, euh, les religieux, quand on dit religieux, nous ici on parle, c'est vraiment l'observatoire religieux qu'on voit ou qui concerne toutes euh, les religions. Donc ces, gens-là, ils se retrouvent ensemble, ils font des choses. Quand il y a un petit problème ou un petit souci, ils se retrouvent, le comité essaye de régler ces problèmes. Et dans les cas où ils n'arrivent pas à régler, ils font appel à nous. Dans les cas où nous, nous n'avons pas puis on fait appel aux autorités en passant par les sultans, la mairie, le les, autorités. Donc ce comité-là d'éveil, à un moment donné, on s'était dit avec notre partenaire qu'il vaut mieux aussi faire en sorte qu'il y ait des activités génératrices de revenus. Et on a commencé à faire des placements de 500 000 francs par quartier. Les 500 000 francs, les femmes prennent, elles, elles font des petits commerces pendant trois mois, elles remboursent, d'autres prennent encore et ainsi de suite. Et nous avons vu que ça a donné vraiment, ça a eu un impact. Les femmes étaient très contentes parce qu'une fois que la femme est économiquement indépendante, elle vient aux besoins de leurs enfants. Elles nous ont dit qu'avec ça, elles ont pu faire l'éducation de leurs enfants, la santé, beaucoup de choses. Et un jour, elles se sont retrouvées pour nous dire que ah, il serait bon qu'on ait un cadre de travail. C'est ainsi que nous avons demandé encore à notre partenaire, à travers toujours les projets de stabilisation communautaire, si on peut avoir un bâtiment où les gens, les femmes vont se retrouver. Et c'est comme ça que l'OIM a eu à construire ce foyer que vous voyez. Et l'objectif principal, c'est que les femmes d'abord se mettent ensemble pour, pour une cohésion euh, sociale pour une cohabitation ensemble et tout ça Et aussi que les femmes profitent les unes des expériences des autres. Parce qu'elles, les migrantes, elles savent des choses que nos femmes ici ne connaissent pas. Et les migrantes aussi ne connaissent pas certaines choses, certaines pratiques, certaines activités qui sont pratiquées par nos femmes. Et donc les unes et les autres profitent chacune de l'expérience ou des connaissances ou des activités des autres. Quel est le critère de sélection des femmes Nous, ici, on n'a vraiment pas de critères en tant qu'État. Le seul critère qui compte pour nous, c'est la stabilisation communautaire. C'est vraiment avoir l'idée que le Niger là a besoin de la paix et la cohésion sociale. On n'a pas de critères de sélection ou autre, c'est vraiment la cohésion sociale. N'importe quelle femme qui veut venir travailler, qu'elle soit nigérienne, qu'elle soit euh, migrante, elle peut venir travailler. L'important qu'elle soit de bonne moralité. Ça, quand même, on tient à ce que ce soit une femme qui est là pour l'émancipation, qui a les mêmes objectifs que nous. Voilà, c'était Haja Azara El Haj Mamadou, responsable du centre polyvalent des femmes de la commune urbaine d'Agadez. Avant de continuer cet entretien, chers auditeurs, nous allons passer à la deuxième musique de notre playlist, n'est-ce pas, Abiba Oui, Fanta. Cette fois-ci, on change de style. Du reggae, nous allons passer au hip-hop avec le titre « Ne fais pas semblant des kamikazes. Braga dans mon dos. Ne faut choisir have a Ça laissé Ça coche je vite, le feu me mettre blélité Et pour tes velléités, ils tuent toujours mort Ils veulent tout pour eux, tout sur eux, leur raison Et pour cela, ils tirent jusqu'à toucher les sauts Seulement pour toi, pour toi, ceux qui te kiffent seulement la main Semblant de m'aimer si tu me détestes, se faire semblant D'abord, si connais ce qu'il y a, ces gars ne fais pas semblant Ne me fais pas garde à mon dos, il faut choisir ton camp pas gagné mon j'en la fait commis pour diviser. Tout pour me déguiser, et d'abord pour te cisailler. Babylon, mon gros Babylon yeah, yeah. Elle me fait pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Faut se faire semblant d'abord si ne c'est qui a ces gars. Ne fais pas semblant, ne me fais pas garder à mon dos. Il faut choisir ton camp pour ne te redonner pas le tambour. On a fait chez la comme pour diviser, tout pour me déguiser, et d'abord pour te y'a Babylone, mon gros Babylone, yeah, yeah. Ceux qui te kiffent, c'est ceux-là même, nous connais Camila taka que juta La loi qui coule sans arrêt ce qui ma taka comme ya Devenir leur manipuler d'un nid de haïkiba Laisse-toi faire et tu seras jusqu'aux os les babyloniens pour te niquer t'approcheront remasqués Ils sont rusés, de déguisent en pieux juste pour te foquer S'ils n'arrivent pas, ils chercheront un bouc émissaire Sur qui tu rabattre, chérie, les autres là Les apparences sont des fortes, t'as fini que des gamins La vie fait pas le moine, prends garde avant le pire Ces dans ne peuvent jamais qui qui ils le ce sentiment et leur souhait le plus profond. Ouais, trame des coups, babis, bah écoute des choses bidons. Sales opinions n'ont pas de clan, font partie des pions. En de Satan, laissons le temps au temps. Et tu nous convaincus, mourir les pieds à l'air. Elle gommé mon appétit, destination à l'affaire. Les approuvés et désapprouveront un watt dingue. Gamé, gamé de gauche à droite, la honte sociale. Oh, semblant de m'aimer si tu me détestes. Osez faire semblant d'abord tu connais ce qui y a. Ces gars ne fais pas semblant, ne me fais pas garde à mon dos. Ne faut choisir ton camp, on ne te redonne pas le temps, boy. L'hypocrisie, le malin, c'est mes par Babylone, Babylone. Des mamans, femmes avec un il t'assaille. Ça jamais l'occasion même de te liquider. J'nagane mon avalanche, j'ai fait comme pour diviser. Tout pour le déguiser, et d'abord pas pour te cisailler. Babylon mon gros Babylon, yeah, yeah. Elle me fait pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Faut se faire semblant d'abord si t'as qui a ses gars. Ne fais pas semblant, ne me fais pas garder à mon dos. Ne faut choisir ton camp, on ne te redonne pas le temps tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes par Babylone, Babylone. Des mamans, avec un il t'assaille. T'as jamais l'occasion de te liquider. On a planché notre gommé pour diviser. Tout pour me déguiser et d'abord pour te cisailler. Babylone, mort de Babylone, yeah, yeah. Yes, mort Babylon, Babylone. Yes, Babylone, le mal. Babylone, l'enfer. Babylon, Babylon, tout ce qui est négatif. Il y a des gens, à force de parler des autres, ils ont oublié qu'ils ont une vie. Faut que ça cesse ça. Qu'est-ce que c'est que ça ah, ah. Ouais, ne fais pas semblant d'aimer quelqu'un que tu n'aimes pas. Yes, faut avoir un camp. en a qui n'en ont pas. Les nôtres, ouais, évite-les, évite-les. Sont pas bons, ces gars, sont pas bons, non. Eh oui, ne fais pas semblant, chers auditeurs, un tout un titre toujours, aussi d'actualité, pourtant paru il y a plus de dix ans. Kamikaze, Kamikaze Liman ou encore Kaz Liman est un artiste, auteur, compositeur, interprète, arrangeur et producteur. Il a commencé sa musique en 1997. Il a évolué dans plusieurs groupes musicaux avant d'entamer sa carrière solo en 2003. C'était il y a 20 ans de cela, Biba. Au cours de la même année, il offre son premier concert solo au CCFN Jean Rouge de Niamey. Il est considéré par la presse et le public comme la figure proue du rap engagé. Chers auditeurs, après cette belle chanson, nous allons continuer avec l'entretien du jour. Dans cette deuxième partie, Hajia Azara Al-Hajim Mamadou évoque les opportunités de formation qui sont offertes aux filles et femmes accueillies dans ces centres. Elle est au micro de Asman Aboubakar. Comment se passe la formation On a des formatrices qui sont là, on a des formateurs qui sont là et qui forment, même les jeunes filles que vous voyez là, qui sont presque en fin de formation Maintenant, une fois sorti, est-ce qu'il y a un suivi que vous faites pour ces apprenants-là Pour le moment, concrètement, il n'y a pas eu un suivi, mais notre objectif, c'est que les filles qui vont sortir là, qu'elles soient suivies, qu'elles aient des kits pour pouvoir être indépendantes, elles aussi économiquement. Elles apprennent à coudre, donc il leur faut au moins une machine ou deux machines pour être en activité. Est-ce que vous avez des partenaires ou des gens qui vous appuient, par exemple D'abord, nous avons beaucoup de promesses, ça c'est un, mais pour le moment, nous travaillons beaucoup avec euh, l'OIM, nous travaillons avec euh, Access. Il y a certaines promesses. Nous sommes en contact avec plusieurs partenaires et nous pensons que ça va marcher. le centre regroupe à euh, moyen combien de personnes Il y a plusieurs personnes dans ce centre. Déjà, dans chaque atelier, on a à peu près 10. C'est payant ou bien comment se passe la gestion du centre Les formations sont payantes. Certains services sont payants. Nous avons aussi euh, des bâches à louer. Nous avons des tricycles. Avec l'agroalimentaire, on fait des entrées. C'est vrai, c'est difficile dans un premier temps parce que vous savez, nous, nous avons eu les centres, nous avons demandé les centres et son équipement. Et ça n'a même pas été budgétisé, le fonds de démarrage. Ça a été un grand problème pour nous. On a aussi omis dans notre requête l'électrification et l'eau. Tout ça, là, c'est des choses avec lesquelles nous sommes en train de nous battre pour les maintenir. On a pu mettre de l'eau, l'électricité. Ça, c'est vraiment l'effort même des femmes que je salue beaucoup et de certains leaders de la région qui nous ont aidés. Sinon, les projets étaient arrêtés, ça n'a pas été programmé, ça n'a pas été budgétisé et on s'est retrouvé avec les centres bien équipés, bien, tout est là, sauf que le fonds de démarrage a fait défaut par exemple, on sait qu'à y a un phénomène qui est la consommation de drogue par les femmes. Est-ce qu'ils vous arrivez à intégrer ou à prendre en charge ce genre de cas oui, mais ça, c'est un problème que nous avons toujours dénoncé. On est même la première association à dire que non, il faut voir. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans notre région. Et ces choses-là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour y remédier. C'était euh, nous et la police. À un moment donné, on avait même monté un projet. C'était avec euh, la police et la gendarmerie, je me rappelle très bien, lors d'une activité organisée par, euh, qui est financée par ECAP Sahel, qui a regroupé les femmes leaders. de Notre association et c'est en ce moment qu'au niveau, avec la gendarmerie, avec la police, nous avons décidé qu'il y ait la création d'un centre. Et nous avons monté ce centre. Et ce centre, c'était un centre de récupération, un centre de désintoxication et de récupération. À un moment donné, on a vu que toutes les autorités, tout le monde s'est intéressé à ce centre. Donc, euh, on pense que ça va marcher. Nous sommes là-dessus. Et nous, avons aussi euh, notre bureau d'écoute ça aussi, euh, nous avons approché un projet parce que nous, on est là, c'est vraiment par expérience que nous faisons certaines choses. Parce que les gens, les femmes, quand, dès qu'il y a un petit problème, elles viennent vers nous. Pour elles, nous, nous sommes une référence. Donc il faut qu'on soit outillés, bien outillés en personnes qui sont du domaine. Le cri de cœur que nous avons, c'est surtout la paix. Nous, nous avons besoin de la paix. En tout cas, pour nous, rien ne vaut la paix. Et aujourd'hui, dans ces centres-là, les femmes peuvent venir travailler, les jeunes peuvent venir travailler. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut mettre l'accent pour lutter contre euh, tout ce qui est là, le terrorisme, tout ça là, tout ça là, moi je pense qu'il vaut mieux occuper les jeunes. Ça, c'est très important, l'occupation des jeunes. C'est comme cette affaire de, de consommation de stupéfiants. C'est la jeunesse. Et d'autres nous disent que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont là assis. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, à présent, accueillons Ousmane Mamoudou pour la rubrique Éducation numérique. Lui, c'est le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangou. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, euh, commençons par la première information. Il y a une vidéo qui circule montrant Vladimir Poutine menaçant la CDAO en soutien au Niger. Qu'en est-il vraiment alors donc, euh, comme la semaine passée, comme la dernière chronique euh, numérique, donc on va essayer un peu de regarder ce qui s'est passé sur la toile en termes de désinfos. Et donc cette semaine, euh, on a choisi deux désinformations qu'on va essayer d'exposer pour que les gens comprennent bien. Alors oui, quant à la vidéo dont tu parles, en fait, c'est une vidéo dans laquelle on voit Vladimir Poutine qui parle évidemment en russe, une langue qu'on ne comprend pas au Niger. En tout cas, moi, je la parle pas. Et donc, euh, dans les sous titrage on lit euh, une partie où il est en train de menacer euh, quasiment, on va dire, la CDAO contre une éventuelle intervention militaire au Niger. Donc cette vidéo, en réalité, c'est une manipulation. Donc elle montre effectivement Poutine, mais la déclaration originale était en fait sa déclaration de guerre à l'Ukraine en février 2022. Donc la vidéo, évidemment, elle a été retouchée avec de faux sous-titres et des éléments graphiques pour la faire correspondre, euh, au, contexte du Niger. Donc la vidéo, elle a beaucoup circulé dans le, sur le réseau social TikTok, on l'a également vu dans Facebook, on l'a vu également dans des groupes WhatsApp. Mais donc à notre niveau, comment on a fait pour le savoir C'est assez simple en fait, il suffit juste de faire une recherche d'image inversée. Donc euh, vous trouverez euh, comment on a procédé sur notre site wwwstudio slash checking Donc on a fait une recherche inversée d'images de la photo de Poutine qui nous a mené à la vidéo originale postée en fait le 24 février 2022 par le média Brut. Donc facilement trouvable encore une fois. Mm. Et donc euh, de plus, en plus de ça, on peut voir certains détails euh, comme le logo de la chaîne Brut qui a été masqué par le manipulateur et les sous-titres évidemment qui ont été modifiés. Incroyable. Et la deuxième information concerne une prétendue suspension de la fourniture d'uranium du Niger à la France, causant des coupures d'électricité à Paris. Est-ce vrai alors oui, exactement, Abiba. Donc la seconde euh, des infos qu'on a, qu'on a retenu, c'est celle, celle-là où on voit en fait, euh, souvent on voit des coupures d'électricité à Paris. Mm-hmm. Souvent certaines disent que en fait ces coupures-là, elles sont il y a des coupures actuellement d'électricité en France parce que bon, le Niger a suspendu, ne donne plus de l'uranium euh, euh, à la France, etc., etc. Évidemment, dans ce contexte euh, de, crise politique, en tout cas que traverse le pays, c'est des, on va dire, ce sont des mots qui portent haut. Mmh. Donc, mais bon, en fait, tout est, tout est faux. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le CNSP n'a pas fait de communiqué dans ce sens, suspendant l'activité donc d'Urano, la filiale qui exploite l'uranium, la, boîte, je veux dire, qui exploite l'uranium au Niger avec ses filiales installées au nord du pays. Hmm. Donc, euh, les vidéos montrant des coupures d'électricité à Paris sont, sont réelles, ça c'est vrai. Mais elle date de décembre 2022. Il y a eu un problème d'électricité chez eux. Et donc, ça n'a rien à voir avec la situation actuelle au Niger. Donc, c'était un problème technique euh, que l'entreprise qui gère la fourniture d'électricité euh, a expliqué. Et évidemment, toutes ces ressources-là, vous pouvez encore une fois les trouver sur Internet en allant sur nos sites pour voir beaucoup plus de détails. D'accord. Donc, Comment on a fait là pour le savoir mhm. Donc là aussi, euh, nous avons recoupé des sources. Donc déjà, il y a certains médias qui, ont, qui ont fait ce travail-là, par exemple AFP Factuel, qui a contacté Orano au Niger. Mhm. Donc, le responsable de l'exploitation de l'uranium au Niger a affirmé que leurs activités continuent toujours. Et donc, quant aux coupures d'électricité à Paris, je le disais tantôt, euh, c'est une, cherche, euh, une, simple recherche avec des mots-clés vous amène aux vidéos originales. Et encore une fois, c'est largement couvert par toute la presse occidentale, on va dire. Merci Ousmane pour ces clarifications. En tout cas, il est important de toujours vérifier les sources avant de partager des informations. Merci, à bientôt. Merci Ousmane. On vous souhaite une bonne journée. <laughs> Chers auditeurs, avant de continuer, nous allons souffler encore une fois en musique avec le titre Soeya de Band María. chers auditeurs, c'était le titre Soyeya de Fessad Bouri et de son groupe Boriban de Maradi. Il nous chante ici l'amour et toutes les valeurs qu'il y a autour de ces mots, l'amour, que nous prononçons tellement de fois par jour. Exactement, Habiba. Et restons toujours à Maradi pour la suite de notre émission. Dans le reportage région de ce matin, notre correspondant Mohamed Maman pointe du doigt la cherté de la vie. Une situation qui commence à être difficile pour le chef des ménages. Depuis quelques jours, le prix du sac de riz connaît une hausse vertigineuse liée à l'augmentation du prix du carburant au marché noir selon certaines personnes. Elage Moutari, un père de famille, est très surpris de constater sur le marché que le prix du riz a augmenté. Il précise que s'il n'avait pas suffisamment d'argent sur lui, il serait obligé de manger autre chose que du riz dans cette boutique de grossistes derrière l'autogarde de Maradi, à part le riz, certains produits de première nécessité ont disparu des étalages qui, sous de la boutique, témoignent. farashin abinci ya hauhawa kusan ya karu sosai da sosai kamar shinkawa da ana saida ta goma da rabi yanzu kuma gashi ana saida ta sha uku ko kuma sha uku ba hamsin wani waje ma sukari shi kuma babu ma shi yanzu kowa ya duma masu dan shikin ma manyan duk sun rihe kayansu kamar dai su masara gaskiya kuma irin su hatsi su ma duk wannan abubuwan duk gaskiya sun ƙara kuɗi

in suna cikin wani yanayi to abin da ya shahe su muna iyaka da su kuma abin su ya shahe mu to amma mu muna da sauki farafar da su Najeriya tunda su ba su da wata hanya yanzu wadda suke hitowa da masara mu kuma muna da kwatano tunda muna samun yan manabil suna dan shigo mu in ba na albarkacin mun samu wannan yan manabil ba to da gaskiya matsalar mu gaba ɗaya iri ɗaya ce muna sayar da masara 34 muna sayar da 33 hatsi kuma sai da kai jika 31 31 Si pour l'heure personne ne peut lier cette hausse à la situation qui prévaut dans le pays, certains pensent que, avec les sanctions de la CDAO contre le Niger, la situation risque de s'empirer. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, place à la page sport avec Grouza Hassimi Karimon. Bonjour Grouza. Bonjour Abiba, bonjour Fanta. Bonjour Grouza. Euh, bonjour. Alors, euh, les matchs des clubs nigériens pour le premier tour préliminaire des rencontres internationales africaines ont été reportés d'une semaine. Oui, Fanta, prévu pour se jouer ce week-end les matchs de l'AS Douane en Coupe de la Confédération africaine et de l'AS Garde nationale à la Ligue des champions vont se jouer sur terrain neutre du 25 au 27 août 2023. Les raisons données sont la situation sociopolitique du Niger. Quelques citoyens nigériens, observateurs du football, nous donnent leurs impressions. Reporter des matchs, je pense que c'est vraiment pas le moment. Pour eux que c'est à cause du coup d'État euh, certainement, c'est à cause de ça. Euh, mais ça ne devait pas être aussi une, raison valable. Oh, le football, je pense que euh, c'est universel. Ça ne doit pas concerner ces trucs. Il faut permettre aux enfants de se distraire. Je pense que et vraiment, euh, la CAF, euh, si vraiment ce qu'on est en train de dire là, je pense que vraiment c'est pas raisonnable, c'est même pas normal. Effectivement, les équipes du Niger vont euh, jouer leurs matchs à l'extérieur dans des pays où ces pays-là fustigent le comportement du Niger. Et moi, je ne vois même pas la raison pourquoi ils vont, ils vont déplacer ces matchs-là. On n'a aucun problème au Niger. Le Niger est un pays de paix. On doit laisser vraiment nos enfants jouer dans, dans notre pays. On ne doit pas politiser aussi le football. Ce n'est pas normal. C'est ce que nous on dit en tant que Nigériens. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas normal. Et dai no amante imina zan kai ka ngai balo kari labora zan bal karyan wo si siya la bal karyan as politique guna as coup ta guna fifa bun bodo bal karyan wo se universel bora kur wonno as siyasa guna as siyasa guna imina zan kai ka ngai bal karni et puis la bay kara zan kai ko balo kar est ce que la bay di ndai te kersi magar côte d'ivoire yanno wal man man kai ndai su za di kere donc vraiment imina zan kai ka ngai balo karni wodi maga im si sanctionné kafu borai im sanction wone maka kafu borai musufro siyasa wonera im na irzan kai muka gir balo karne o niger zam neno hingi supporter neno kar ngai lakalga zan kai sambu konde labuwa ni ni balkar aste kan i labi ze shino baino gi supporter labuwa ni ra kafo fo mu kam kawo dira mu kam ka dai dunguro ra mu yendi agbisa am su fur har ka dira Voilà, c'était la, euh, euh, les quelques citoyens nigériens rencontrés sur place. Notons que euh, Fanta Abiba mhm. que le Niger participera du 19 au 27 août au Mondial d'athlétisme d'Hongrie et c'est Sagiru Badawasi qui aura la lourde charge de représenter le pays euh, dans la catégorie des 100 mètres et. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci, beaucoup, Gourouza, et bonne journée à vous. Merci. Chers auditeurs, pour le portrait du jour, nous allons à la rencontre de Aboubakar Adam, un jeune guitariste d'une trentaine d'années originaire de la région d'Agadez. Aujourd'hui, c'est une étoile montante de la musique touareg. Il fait le tour du monde pour asseoir sa musique, des forgerons à la musique, suivant son portrait avec Tarnan Foudé Ahmed. Âgé de 32 ans, Aboubakar Adam alias Ikali est un guitariste touareg qui a vu le jour dans la capitale de la Hiragadez. Avec sa guitare en planche à ses débits, aujourd'hui il fait parler sa guitare électrique dans les quatre coins du Niger et au-delà des frontières nationales. Il trouve l'inspiration de sa musique dans les chansons du vieil Ali Farkatouré et d'Abdallah Ombadougou. Dans une ambiance bon berger, le jeune guitariste retire un peu son turban et nous raconte ses débits. J'étais fan de Abdallah et d'Ali Farkatouré. À ce moment, la musique était vraiment pas bien vu chez moi. Mon papa n'aime pas du tout à ce que je sois musicien. Et j'ai fabriqué des guitares avec des planches pour apprendre. Et petit à petit, je me suis débrouillé jusqu'à ce que j'ai commencé à jouer la vraie, vraie guitare. C'est avec euh, le groupe Inherent Début, j'étais accompagnateur. Après, j'ai travaillé avec Bombuno, avec Guntu, Rissa avec le euh, groupe Omar Vers 2015-16, j'ai commencé à composer mes propres euh, musiques. J'ai 12 titres. De confins de la capitale de l'Aïr en passant par Niamey, la capitale Nigeria. Ikali Adam s'est rendu dans plusieurs pays au monde pour faire connaître sa musique. Pour l'instant, Ikali se bat pour faire connaître sa musique au plan international. J'ai voyagé quatre fois en France. J'ai aussi euh, été à un festival au Conakry, Guinée. J'ai fait pas mal de pays, Dubaï, Togo, Lomé, tout ça. Jusqu'à présent, je ne suis pas bien connu. Je ne fais que des recherches. C'est une musique que j'aimerais vraiment faire euh, voyager partout dans le monde. Ici, d'une famille de forgerons, Ikali fait des bijoux pour subvenir à ses besoins quand le tourisme marché bien à Agadez. Avec l'arrêt de cette activité il y a quelques années, les jeunes guitaristes trouvent dans la musique une véritable voie de résilience. Autour de ses cinq frères, tous des musiciens, Ikali s'améliore et continue de se battre pour ce qu'il considère désormais comme une partie de sa vie. Je suis une euh, d'une famille forgeron, je faisais des bijoux avant, mais comme il y a moins de tourisme ici, c'est pas facile d'en vendre. Aujourd'hui, la musique fait partie de ma vie. C'est déjà quelque chose que j'ai rêvé de faire et pour le moment, je, suis vraiment dedans et je, je resterai. C'était comme de la magie. On est cinq artistes à la maison, on partage des idées, on travaille ensemble. Aboubakar Adam alias Ikali, Sam améliore du jour au lendemain et dans ses productions, il aborde des thématiques d'actualité comme la résilience de la jeunesse, la paix et les droits de la femme pour le l'épanouissement de la communauté nigérienne. Chers auditeurs, après ce portrait, un autre tour à musique avec Soné Kososo de Dangana Star des chers auditeurs, c'était le titre sonné Kososo de Dangana Star de Zendera. Habiba pour le loti, nous en avions parlé tantôt dans cette édition. Les fake news sont des fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur ou à l'intégrité des victimes. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences sur le plan judiciaire et moral. C'est pourquoi aujourd'hui, la c'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Loti, les femmes du studio Kalangu appellent à plus de prudence dans les partages de nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Rekia Arimi et Samira Rouafi. hey Ifo ifono kanigo katigay ma ke yacino ifoga dunin hey eh, gungidi sonda nini samba irwan WhatsApp ko hupu fora pfk fitila president ingine ya agono gufai kauye men da me kanga manir gaga bore mu dugu hey fa ifono ni goga mai ga hayo samba ni se hey nimo wode sinde umfani ana te daina iwege be ka ana te daino songune irwo partiyo kan si hino banda ganirgo Song irim ga faino boga kulmu duwa in kan baga siroga mahagwai kan bar man bai hal kimino wo bor de wallahi da tari tari Albaharaidini. dini wani tarino hey eh, mai ne ni se tarino da mana te dai kan baga oho imduga ma sarase ai gogin hanga kendi nidi tari tari albaharu sambayanwo da mana koi ne agonda saru gumo nidi son lokaci kirgo nim hau boraga wal nim tari boraga walaga koi ga tebor fo sai tali hankan ti zamani fondaibo ini kul gangi subhanallahi koi ne mabai in ayi foka ka ir Nijar labora giri zambar hinkan da wakin da yagga imduga hankan ti zamani fondai bon talai kulu jukke Aya lamba giri zambar hin kan da waikin da ya ga da waran zakin da hinza kan ikwai kan ba ke. je hando girbi hinza a nasari giri zambar hin kan da waikin da ya gara wane bin daga cebe kan tali tali kan borai ga te ikwai gi jukke aga kwai ga to nan ki bora gwai ginai kulta imagangi hankan ga ti zamani fonda ibon albahari yan samba wala mo wasi kayan. iginin kwai ga bora gangi bumbo windiyan wala mo im kwai gin jukke mate chogo ayo kulka nigo chini siga dangi tonto na gamo ai wo fonete ai go chawdaino sambo go sambo mo. albahare kan gudungu dungu bogai mami ngai mu hey ai bora wallahi ma haggoi ni ko gin bonton hanfoya ni di wo kan nidu parti fitilla gin bora wana eh daman tiki mino binde matano nigite ni di mazeni koi ga masar y'a wala ni baimo wani ya taliberi mono mate a ah, hayi wosin da fogai fa wallahi ya dinga da yakin no ai ga wallahi sabini se wallahi sabini se gumgumo kani ne ban wa feri dal kul sino kwai ne ni ne kayan da aimin ba ai sanno banandi hankan ga ti zamani fondo albahari ya mai sambayan ai bon a ah, ya dinga ai go hangan ni se ni didin kwai gite tali hankan ga ti zamani fondo ai bon jujo ga hin ga fo ka tare ni bon nimdu gagana dimana gana mu iginigin da bu kaso giri hinza ga koi giri iddu wala mu imin juke miliyon fo ga miliyon wai mate amma wallahi kan baga sire woga goyo son wallahi aga bokta bandi igwanda masala fa sadin dano ni hinga bo fo masara janga bayyanga amma boga kayan go hauga te wallahi aga ga hey da ya dinwa ni di wasa bosa pe wo kul na na ngai ma tu sukkan bo ai kan baga si sugoga <laughs> suru me suru kyoro haya mantono dingina a mantoni min bonka an dunyara ni ya dai ni min bonwa da haikul sambayan dindu hmm. ai gice ci godin <laughs> ah, to din famu kai abori kaga di video phone ya ai mike benise he ya isi bai mu di irko sai nan ma im ba son san san ne wa kan si bori no irim koi ga san ni bongai wai sin fa <laughs> eh kero mantiya di no aka ai hi ya video na ibai mike benise kaga ah to wadin go kai abori <laughs> auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie Abdul Moumini Nieli pour la culture linguistique. Bonjour Nieli. Bonjour Habiba, bonjour euh, Fanta. Bonjour Nieli. Donc, euh, comme annoncé, notre euh, mot du jour pour la culture linguistique aujourd'hui porte sur la patrie. La patrie est un mot du genre féminin. Elle est la terre des ancêtres d'où l'on est originaire et qui nous est cher. C'est aussi la nation ou la communauté politique à laquelle on appartient et dont on est étroitement et affectivement lié par l'histoire, la langue, la culture, la tradition et j'en passe. Alors Niali, est-ce que le mot patrie peut aussi être utilisé dans d'autres contextes Effectivement, le mot patrie peut être utilisé dans un autre contexte, le contexte dans lequel euh, le mot patrie pourra être utilisé est la nation ou à la communauté politique ou sociale que l'on a le sentiment d'appartenir comme synonyme aussi, on peut citer pays natal et terre natale. Et que signifie patrie en Fulfulde La patrie en Fulfulde, donc euh, patrie de Fulfulde, c'est bien indiren ɗum leydi suudu baaba leydi mamuti mamiraɓe taweten he ɓernde neɗɗo kayri du e fina tawa mayri kan fuu e du tariki mayri neɗɗo no feŋi he muɗum sanne nokkure du non fa hannden nde en mbiyata patri de francire e fulfulde du seebi en leydi suudu baaba merci beaucoup ñalli Chers auditeurs, avant de se dire au revoir, nous allons écouter un dernier son, cette fois-ci retour dans les années de la Samaria. Voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que prend fin votre émission Le Niger sur Kalango de ce jeudi 17 août 2023. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. Rendez-vous demain avec une nouvelle édition et un nouveau duo. La technique est assurée par Abdoulaye Bunga et Adama Dawaki à l'édition.